dajale fi tey jii mooy euh, euh, euh, excellence président de la république Macky Sall dafa lancer né chaque samedi premier samedi ci wèr bi nañ def luñ wax cleaning day cleaning day nak bu ko déggé moy organiser wu bu fexe lépp lo xamné jëm na ci nettoyer settetal suñu gox yi euh lool nak daf ko laaj ñu def ko chaque premier samedi bu ñu weer bi taré ñun tay tey lool nañu woté ni mais luñ ci gis dal moi d'abord d'abord président de la république sakal na ko bis da fay né manam lu am importance la population bi président bu ko bis aussi day ne am amal askan bi santé donc lolu qui bu amé ñun ñi population bi nga premier bénéficiaires dañ ci donc taxaw ci ba jëfee ko nu mu gën a rafetee parce que li nga xam ne la war nañ ko def bis bu nekk bis bu nekk boo demee ci kër yi ñu ngi bale ñu ngi produit déchet mais nuñ koy organiser ba nga xam ne tey jii du am benn jeexantal ci suñu wér yaram ak sunu sunu sunu sunu sunu sunu environnement sunu cadre de vie ak sunu dëkkuwaay yi loolu tey jii moom la président de la république di lancé se conscientiser nit yi ne nañ jëmee ci côté googu parce que loolu am waaw loolu li nga xam ne ne vraiment ñun euh, volet boobu bu ñu ci duggee rek dañuy

loolu wàññeeku na fi bu baax a baax a baax a parce que lii nga xam ne président def na ko tax na tey jii ba euh, environnement bi changé bu baax parce que fii ñuy wax ni jamono yi amoon na jamono yoo xam ne ñemee ñu fi woon taxaw di di def lii parce que danoon nawet danoon jeex ba beneen nawet di kaat fekk ñu am zone yoo xam ne kenn mën ci accès di accès accès ndax ndox lii li nga xam ne nag ñun gis nañ ko ci wax ci ci maanaam cleaning day bi moy organisation bi nga xamné war nañ ko def pour que mën accompagner accompagner euh, li nga dispositif parce que président de la république dafa bëgg li mu sax li nga xamné tay mu bokk ci habitude nit loolu dafa laaj organisation ñun ni ñu ko gisee moy mettre dans chaque quartier un comité euh, euh, euh, euh def un comité de gestion des eaux quartier bu nek dañ fa implanter ben ben ben ben comité xol aussi li nga xam tamit boo ñu bëggee mu sax il faut que ñu former nit yi sensibiliser nit yi donc autour de ces comités de gestion là dañ ci sensibiliser nit yi xamal leen njëriñ li nga xam ne mooy mooy mooy gestion des euh, njëriñu gestion des ordures ménagère parce que tamit baax na ñu nettoyer waaye bañ a sal bañ a salte mu dafa dafa gënit

fi ñu nekk nii bëri na xale yoo xam ne dañuy def charrette ñu ngi ci charrette yi ni nga ñu nekk ci mais suñu waxtaanee bu baax xool ko bu baax mën nañ ci tënk projet boo xam ne mën nañu permettre tey jii suñu ndaw yi ak ak yooyu xam nañ ñu mën cee jëndee seen koom mën cee jëndee ay ay jën ay ci xëy donc loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ciy xalaat

Aujourd'hui, c'est un moment important euh, pour les aspects relatifs à notre environnement. Euh, si vous voyez aujourd'hui que Son Excellence, Monsieur le Président de la République Maxal a instauré le, Cleaning Day, c'est pour nous permettre, c'est pour nous conscientiser sur l'aspect environnemental et notre cadre de vie. Parce que vous n'êtes pas à savoir que dans le passé, on a vu nos braves mamans très tôt le matin, se lever pour faire euh, le nettoiement, donc euh, même des, rues. Et c'est cette activité-là qui est, euh, qui est citoyenne, qui va nous permettre d'impacter sur notre santé, positivement sur notre santé, sur notre cadre de vie, sur notre améliorer donc notre environnement. C'est cette activité-là qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc ce samedi 1er février, comme l'a instruit, comme l'a demandé son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky oui, effectivement, hein, comme vous voulez le dire, euh, Son Excellence Monsieur le Président de la République a fait d'importants euh, travaux au niveau donc, de, de, de ce qui nous permet aujourd'hui, donc euh, durant l'hivernage, de pouvoir évacuer les eaux, euh, les eaux de pluie sans problème. Maintenant, donc, il y avait des méthodes qui étaient dans cette localité-là. Donc on utilisait, on utilisait les ordures pour rembler donc, les zones inondées. Et vous, savez que maintenant, avec euh, cette évolution donc, de la situation, euh, les choses ont changé. Maintenant, par rapport à tout cela, nous, l'approche qu'on utilise un peu par rapport à ce que c'est de mettre en place des comités de quartier. Donc dans chaque quartier, on va mettre là-bas un comité qui va se charger de la gestion des ordures ménagères. Donc on va aussi faire le travail de sensibilisation parce que c'est important. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut que ce soit une activité pérenne. Donc euh, ça, euh, si, si l'on veut que ça soit, il faut que les populations sachent que cette activité, c'est une activité pour qui, et qui impacte d'abord pour notre bien, nous en tant que les populations, qui impacte sur notre environnement, nous les, populations et qui impacte aussi sur notre cadre de vie. Euh, il faut que cette sensibilisation sera faite donc, euh, durant cette, cette période-là, donc autour donc, de ces comités de quartier. Et nous, on a réfléchi à euh, réfléchir à, ajouter une autre dimension, c'est l'aspect économique. De faire qu'aujourd'hui, la, la gestion des ordres ménagères puisse créer des emplois, parce que nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de charretiers on peut voir, parce qu'il y a des exemples aujourd'hui, il y a des, villes qui ont réussi cela, à mettre en place donc, un système de collecte, un système organisé qui permet donc de créer de l'emploi et donc de donner des revenus aux jeunes. Donc nous aussi, cette dimension-là, on va euh, donc on va on va l'ajouter à cela pour vraiment montrer que cette dimension euh, pour, pour, vraiment montrer l'importance de donc, ce Clean Day. Pour nous dire que cette vision du président de la République n'est pas, pas c'est très important et nous devons saisir ces opportunités-là pour créer de l'emploi, devons saisir ces opportunités-là pour conscientiser les populations et, et aussi organiser donc l'inconnu du Et surtout, à l'heure, je le disais, il faut qu'aussi nos maires prennent leurs responsabilités par rapport à cette affaire de gestion des ordures C'est leur responsabilité, c'est leur prérogative. Il ne faut pas qu'on attende le président. Quand il a cette initiative-là, c'est pour que les populations puissent prendre à, le corps cette... Mais quand même, ce sont les maires qui ont cette prérogative-là, qui ont cette mission-là. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilité par rapport en fait, à la gestion des ordures ménagères.